28 novembre 2023, chers auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Moi, c'est Salamatou Kadri et ce matin, je suis en compagnie de Ali Munkaila Ousseini alias Seno 50%. Bonjour Seno, comment tu vas Je vais bien, Salamatou. On n'oublie pas aussi euh, de faire un coucou à la merveilleuse équipe qui nous accompagne. Il s'agit de Adama Dawaki et Rahilatu Soumana à l'édition. À la technique, nous avons l'homme au doigt magique. Il s'agit de Kader Abdelkader Chambiano. Alors Salamatou, quel est le programme du jour et c'est nous comme d'hab, nous allons débuter avec le flash d'information. Il y aura ensuite la rubrique hebdomadaire sur la santé, la page sport, le portrait du jour et la chronique Lotti. Et dans l'écho des régions, nous allons faire un tour à Filengue dans la région de Tilaberi pour déguster une bonne boule de Mila. Et pour l'entretien, nous sommes avec euh, un invité en la personne de Seth Dick, un jeune rappeur et étudiant à l'université de Tawa. Chers auditeurs, nous allons débuter avec le flash d'information présenté ce matin par Mokhtar Hamadou. Bonjour Mokhtar. Bonjour Salamatou Kadri, bonjour Ali Moukela Bonjour. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, a signé le dimanche 26 novembre une ordonnance portant abrogation de la loi numéro 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants. Cette ordonnance abroge la loi relative au trafic illicite de migrants à compter du 26 mai 2015 et les condamnations prononcées en application de la dite loi ainsi que leurs effets sont effacés. Le gouvernement avertit que relativement à cette loi, aucune réclamation de quelque nature que ce soit sur la base de la présente ordonnance n'est recevable. Présentation hier aux autorités départementales de Gouret d'une importante saisie opérée samedi vers Kélé dans la région de Zander par la gendarmerie et la garde nationale. Il s'agit de 390 000 gélules de prégabalin d'une valeur marchande estimée à 26 millions de francs CFA. À l'origine, la prégabaline est, une, est un médicament mais son usage a été détourné et certains en font une drogue. La dite drogue a été saisie dans un véhicule de marque Land Cruiser euh, qui a quitté le Nigeria pour sa destination finale, la Libye. Selon la police, le véhicule en question a été abandonné par ses occupants suite à une prévision et aux soupçons très nourris d'une présence policière dans la zone le président du mécanisme d'élaboration des rapports et de suivi et des recommandations des organes de traité et de l'examen périodique universel Hussein Jibajé Mamansani a présenté hier lundi 27 novembre à Zender une rencontre a présidé hier 27 novembre à Zender une rencontre technique régionale du plan d'opérationnalisation du passage au troisième cycle du Niger de l'examen périodique universel en matière des droits de l'homme et par les Nations Unies. Cette rencontre qui durera cinq jours regroupe euh, les représentants de la chefferie traditionnelle, la société civile et les magistrats venus des régions de Difa, Maradi et Zander, ainsi que les services régionaux de la santé, de l'éducation et de l'état civil euh, se pencheront sur plusieurs thèmes relatifs aux modalités de l'examen périodique universel sur les organes des traités et les recommandations reçues. Et c'est tout pour le flash d'information de ce mardi 28 novembre 2023. Merci infiniment, Mokhtar, pour toutes ces informations. Chers auditeurs, comme annoncé ce matin, nous recevons 7 DIC étudiant en droit à l'Université d'Ottawa, qui, à ses heures perdues, porte la robe d'artiste, n'est-ce pas, Cédric Absolument. Bonjour. Bonjour. Merci euh, d'avoir euh, accepté hein, de nous honorer de votre présence dans cette émission. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais avant de nous entretenir avec vous, nous allons écouter l'un de vos chefs-d'œuvre. Il s'agit de La Cité. On kiffe et on revient. La vie de la cité vie de la cité, la vie de la cité, une fois venu tu vas comprendre. La vie de la cité, vie de la cité, la vie de la cité, une fois venu tu vas apprendre. La vie de la cité, vie de la cité, la vie de la cité, une fois venu tu vas comprendre. La vie de la cité vie de la cité. La vie de la cité, une fois venue, tu vas apprendre. La vie de la cité, je t'apprends. Si t'es pas étudiant, je comprends. Tu connais la chaise, je connais la galère, mais c'est pas de ma faute, c'est le temps. C'est pas paradis sur terre, on est conseil, on est conseil, on va jamais se baisser, bosser. Tous les jours, on fait que tous ces femmes, Famille, douleur, galère, on va encaisser. Quelle vie de ratatiner, t'es par terre, on va te piétiner. Même le sommet pour capturer, la pagaille va pas te laisser respirer. Quand on dit que t'es étudiant, même ta route, voit comme un mendiant. T'as pas les choix, tu tiens le volant, c'est ça, beaucoup deviennent des taxis Hey, vie de la cité, la vie de la cité, une fois venu, tu vas comprendre. La vie de la cité, vie de la cité, la vie de la cité, une fois venue, tu vas apprendre. La vie de la cité, vie de la cité, la vie de la cité, une fois venu, tu vas comprendre. La vie de la cité. Vie de la cité, la vie de la cité, une fois venue tu vas apprendre. Les cris de cœur, les cris de pleure, on crame, c'est très amer. Parfois béli, parfois bala, ici c'est dur, c'est clair. J'ai quitté le bercail pour la fac, la galère c'est all time, ça me tape, tu connais les bouffes chic, c'est cool, Je connais le resto, c'est cool, tu roules dans les grosses bagnes. Ici dans le bus même, c'est que la vie de la cité c'est amer, on peut pas s'en passer, c'est la mer, c'est pas paradis sur terre, on est conscient, on est conscient, on va jamais se blesser, bosser, tous les jours on fait que tous ces familles de leur galère, on va encaisser. La vie de la cité vie de la cité, la vie de la cité, une fois venu tu vas comprendre la vie de la cité. Vie de la cité, la vie de la cité, une fois venue tu vas apprendre. La vie de la cité, vie de la cité, la vie de la cité, une fois venue tu vas comprendre. La vie de la cité, vie de la cité, et la vie de la cité, une fois venue tu vas apprendre. Hey. La vie de la cité, cher auditeur, euh, c'était là le titre chanté par l'artiste. Une fois venu, tu vas comprendre. <laughs> <laughs> tu vas apprendre aussi. Exactement. Alors, c'est dit que vous venez de nous chanter un titre intitulé La vie de la cité. Alors, parle-nous un peu de ce titre. Quel est l'historique euh, En ce qui concerne la cité, c'est un morceau que personnellement j'ai composé euh, et il s'agit d'un son dans lequel les étudiants vraiment vivent la merde, les difficultés, les galères, tout genre de mots. Parce que moi-même, j'avais vécu l'expérience. Je, vis à la cité, là-bas, à l'université moins de Tawa, cité mère. Chambre 3 pour ceux qui me connaissent là-bas. <laughs> Donc, euh, c'est un peu pour faire l'écho de ce que nous vivons la réalité des campus, des résidences universitaires. Et pour ceux qui ne sont pas venus, j'ai un peu véhiculé le message pour qu'ils sachent. C'est qui les attend, Absolument. <laughs> Donc, c'est un peu cela. Ok, d'accord. Vous êtes euh, étudiant en droit à Ottawa, n'est-ce pas comment, comment ça se passe et qu'est-ce que explique votre présence maintenant à Niamey et On sait qu'on est en pleine année académique aussi. Eh, bah, Ma présence à Niamey, c'est tout simplement, nous sommes dans les réalisations, comme vous pouvez le constater. Eh, nous sommes en séquence de, comment on appelle ça, les... Euh, eh, les délibérations ne sont pas encore au rendez-vous. Donc euh, nous sommes en attente. Ok. Et vu que euh, ils n'ont pas encore effectué la rentrée. La première année a effectué la rentrée. Donc nous sommes en attente. Mais bientôt, je vais retourner. Donc, en un mot, les activités académiques n'ont pas encore commencé à Tawa. Absolument. C'est ça qui explique votre présence, présence ici. à Niamey. ok. Et, depuis combien de temps est-ce que vous, vous êtes lancé dans la musique et surtout, quelle est votre raison Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser particulièrement au rap Il y a un artiste ivoirien qu'on appelle MC One. Oui ce, gars, il m'inspire beaucoup. Et depuis le lycée, j'ai commencé à faire des punchs, des écrits, des, textes, mais j'ai pas commencé à rester au studio. Et donc, une fois à l'université, c'était vers 2020, un de mes beaux-frères, il m'a dit pourquoi ne pas aller. C'est ainsi qu'on a enregistré le premier son Tamakali. Et d'ailleurs, c'est le son vraiment qui cartonne beaucoup à Tawa, parce que là-bas, les gens connaissent le son à fond. Ok. Est-ce que euh, c'est pour faire carrière dans le domaine artistique ou euh, c'est juste pour euh, passer. C'est juste un passe-temps pour vous Non, non, non, non. Hmm. C'est, c'est pas un passe-temps. La musique pour moi, c'est une passion vraiment inextinguible, si on peut le dire. Mhm. C'est pas un passe-temps. J'aime la musique. Et si je me rappelle bien, il y a dans un de mes couplets, j'ai dit je fais la musique pas pour m'attirer des meufs encore même pour faire du buzz. Non, je la fais parce que je l'aime. C'est dans la musique historia. Je fais pas la musique pour un passe-temps ou bien parce que je vois quelqu'un faire et puis moi je vais faire. Mm. non Non, non, non, ça, ça, me ça dépasse au-delà de. Ok. Et de quoi parlez-vous dans vos chansons Seddik est un artiste, rappeur, compositeur qui fait des logo trip. Je suis basé aussi sur la trappe, l'afro. Je parle de tout et de rien. Je parle de la rue, mais je chante pas l'amour, c'est rare. <laughs> <laughs> Mais pourquoi Non. <laughs> mais, pourquoi, tu ne chantes pas l'amour Juste comme ça. C'est un choix personnel. Vous parlez de quoi Expliquez-nous un peu. Ah non, moi, je suis pas d'accord. Mais quand même, j'ai essayé. vous, voilà. Vous, saurez ça dans, dans, l'album Combat, Vital qui va sortir bientôt, Inch'Allah. J'ai essayé sur mon premier son amour, je ne sais pas si ça va, mais quand même. Non, ça va marcher. <laughs> si c'est un amour, ça va cartonner. Ok. Et comment combinez-vous les études et la carrière artistique euh, Les études et la carrière artistique, je pense que il s'agit d'une question d'organisation. Quand tu es organisé, tu peux tout faire. Mais quand même, il y a un dicton qui dit on ne peut pas courir en même temps gratter ses fesses. Je pense que je peux les faire les deux. En même temps. Donc, euh, Pas en même temps, mais il s'agit, il suffit d'être organisé, structuré, et puis ça va le faire. Et vous êtes des gens dedans, jusqu'à présent, ça n'a pas affecté euh, le côté académique euh, ou bien la qualité, je veux dire. Pardon Je repose la question. Vous avez dit que ça ne cause pas de problème que vous soyez artiste et aussi étudiant. Étudiant. Voilà. Donc, je disais tantôt, est-ce que depuis que vous avez commencé l'université et mhm. la musique, jusqu'à présent, ça n'a jamais eu de l'impact sur euh, votre euh, domaine euh, ou bien sur votre carrière académique Une seule fois, c'est ce qui fait que j'ai fait d'ailleurs la session. Ah, ok. Mais quand même, je me suis ressaisi et que voilà. Tu as rattrapé par la suite. <laughs> ça marche. Eh, hein. ça un étudiant en droit qui fait la, deuxième année. Ah, super. Donc je pense que le droit, certes, c'est difficile de combiner les deux, mais quand même, ça va le faire. Ça va le faire. Je crois en moi. Super. Ça marche. Hein. Cédric, avant de continuer, nous allons à nouveau écouter une de vos chansons. Il s'agit de ta makale. Ta makale. <laughs> Ah, d'ailleurs, vous savez, vous connaissez déjà la, définition. <laughs> yeah. C'est le sadique. C'est. Ah. Ça fait. Si la go elle me cope, je vais la laisser. Mais quand je la laisse, elle va dépasser. Elle va dépasser, ça va pas m'arranger parce que je suis fragile. D'un coup, je peux verser tout un coup. Tamak Une tamak alé Nico Sen est Kale kale, ake ay hakane, matamara, Fa de sumak alé, Ma vie c'est le rap, le rap c'est ma vie. Je fais de la zik accompagné des hits. Partout, on me si sur le beat, je suis ivre. La go est une pute qui se donne pour le fric. Apprends tes leçons car t'auras pas de fuite. Chérie Coco, dans ce buzz, tu vas nulle part. Partout, tu pars, on t'étape comme un placard. Le but de chacun c'est de devenir Richard désolé même si parfois t'es peinard T'as fait le tour de maquiller, même des bars des cachets, Tu vas courir à quatre pas parce qu'on a tout vu, on a fait même des rencarts Faut pas ne pas rester écarté, tout en espérant qu'on est limité C'est sans les actions, vérité, on a pu mériter ce qu'on peut hériter Bata. pas les moyens, on te paye, C'est pour rappeler qu'on fait tous les pays, pays. Et la plupart des gommes font des bouquets. Football de quartier, on fait Mali, Mali. C'est pourquoi les prix sont les poulies, moulis. C'est sont eux-mêmes qui font trop de mairie, Et ça peut pas changer, ça va guérir, Tu veux, tu veux pas, tu vas rester tranquille. C'est pour regarder qu'on fait tous ces calculs. On fait pas les maths, on a des matricules. Ne sois pas malin, je savais que t'es nul. En matière de rapper, je peux pas te rater. Pourtant, je suis gâté, ma vie, mais gâté, mes flots, mais faut marquer les gommes, mais faut hanter. Moi, je vais les niquer, ça va pas les piquer, ça. Métier, t'as Makale, makale. Makale, makale. Makale, makale. Call me a makale. Makale, makale. Sino ya makale. Makale, makale. Makale, makale. Hey. <laughs> voilà, chers auditeurs, c'était la Tamakale de l'artiste Sédic euh, que nous avons en direct dans ce studio. Alors, Sédic, à l'issue de vos études, que comptez-vous devenir Juge, avocat ou huissier Mais attends, il va nous parler d'abord de Tamakale. C'est quoi Tamakale, Sédic, Sedik, c'est quoi Tamakale Tamakale, c'est un concept. Euh, Hausa. N'est-ce pas pour si vous comprenez Hausa. En germain, on dit coller, non ah, ah, ah, Coller, c'est en français. <laughs> Mais en germain, je ne connais pas le mot. Alambaga. En coller, c'est bon. Ah non, alambaga. en crochet. oui, une façon, c'est juste ça, quoi. Ok, d'accord. C'est ça, Tamagali. Et parle-nous un peu de la chanson. Bon, la chanson Tamagali, c'est juste pour parler des, des filles de notre génération déjà kun sani mana masu dan girman kan nan mhm. wanda har yanzu samu aure ba c'est mhm. une façon de parler de ça okay. sun dans un contexte si on peut le prendre <laughs> baki aure ba kenan kin magali <laughs> ba ki da samari kin makale samarin ki ya cuce ki kin makale sai ma ya magali ok d'accord c'est lui qui a chanté le son Super. merci beaucoup. Alors, on revient à la question de tout à l'heure, Sadiq. À l'issue de vos études, que comptez-vous devenir juge, avocat ou huissier Juge, avocat ou huissier Bon, ça dépend. Mais j'aimerais faire euh, le droit public, si possible. Droit public Oui. Ok. Ça, n'ai pas encore déterminé. D'accord. Et quels sont vos projets d'avenir Pensez-vous pouvoir combiner le droit et le rap oui, pourquoi pas Si le temps le permet, on peut le faire. Hmm. Mais ça dépend aussi si la fonction exige à ce que le droit ne peut pas marcher avec la musique. <laughs> Là, il va falloir qu'on... Mais quand même, on va pas lâcher les fans. Moi, je fais la musique pas pour abandonner. Je fais pas aussi les études pour abandonner parce que c'est que tu as commencé depuis le bas âge et que jusqu'à un niveau à l'université, puis tu lâches. C'est naze. Mais quand même. Très, très, très naze. Et vous vous voyez où maintenant dans, Vous vous voyez où dans 5 ans ou bien dans 10 ans comme ça Dans 5 ans Ou bien dans 10 ans Ça dit que devenir dans juge, avocat, ou bien maintenant il est le plus grand rappeur maintenant de la capitale. Déjà à l'université, on m'appelle l'artiste juriste. Mais bon, dans 5 ans ou 10 ans, Dieu seul sait ce que je peux devenir, mais quand même. J'ai dit, il y a un philosophe qui dit Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité. J'espère euh, devenir un grand artiste dans 10 ans. Pourquoi pas un juge même Dans dix ans. Ok, donc ça frotte entre la vie artistique et la vie euh, professionnelle. La vie professionnelle. On ne peut pas choisir sinon. <laughs> Alors, non, je vais, je vais revenir euh, par rapport à cette question. S'il faut choisir une seule voie, être homme de droit ou artiste, laquelle choisirez-vous les deux. <laughs> Ah, bien sûr, ah, <laughs> il vient de le dire. Ah, les, deux. il vient de le dire tout de suite. Il n'y a pas de souci. Mais et, pourquoi les deux Si ça impose, on est obligé de choisir, mais pour le moment, hmm. la question reste intacte. Mais voilà, mais avant de nous quitter, d'abord, vous allez nous faire un acapella pour nos auditeurs qui nous écoutent actuellement. Pour le studio Kalango aussi. Ah, d'accord. Un acapella Ouais. Hey, pour commencer, je m'appelle le Plexus. Et sur le beat, je rappe avec des astuces. Tu peux pas devenir rappeur si tu copies mes textes, textus avec mes flots. C'est pourquoi j'insiste. Higo, c'est sans hésitation. Le rap game dans mes veines sans méditation. Je donne du coup du rap aux enfants, nos limitations. Et si tu veux t'inscrire, je t'envoie une carte d'invitation. Wow. C'est ça la formation. Il n'y a pas de mi-mesure, guerrier, passe en action. C'est l'intro. Je t'invite, tu me donnes ta position, mais quand tu m'insultes, je vais rigoler. C'est ça l'éducation. Yeah, yeah, yeah, Merci, <laughs> euh, d'avoir répondu à, nos, à toutes nos questions et surtout euh, de nous avoir honoré de votre présence dans cette émission Le Niger sur Kalangou. Ça fait du plaisir. Nous te souhaitons bonne chance dans ta carrière artistique et aussi juriste. <laughs> Bonne journée aussi. Merci, c'est nous. Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, dans la rubrique santé d'aujourd'hui, nous allons parler de l'asthme, une maladie respiratoire chronique qui touche un bon nombre de la population au Niger. Euh, la prévalence de l'asthme en milieu scolaire en 2005 était de plus de 9% à Niamey. Il n'est pas héréditaire comme pensent certains, mais il existe une prédisposition génétique, surtout pour les parents qui ont un intérêt allergique. Dr Suleiman Halidou, pneumologue à l'hôpital Amunou Boubacar Diallo de Niamey, ancien CHU, il est au micro de Habiba Ahmed. L'asthme est une maladie inflammatoire chronique. Chronique veut dire que le patient vit avec sa maladie multifactorielle. Il y a plusieurs composantes qui rentrent en jeu, que ce soit l'environnement, le facteur génétique, les hormones, le poids. Elle est faite des voies aériennes donc qui surviennent au niveau de l'appareil respiratoire et cette difficulté à respirer peut céder spontanément, ça veut dire on n'a pas besoin de médicaments ou bien peut céder avec l'aide des médicaments. Quels sont les symptômes Il faut reconnaître qu'il y a toujours des signes annonciateurs. Il y a le larmoiement, il y a l'éternuement, deux fois le nez peut gratter. Maintenant, après, nous avons une phase qu'on appelle la phase sèche. Donc, c'est une toux qui est sèche. On a des difficultés à respirer, on a mal à la poitrine, et deux fois, on entend même le malade siffler. Le malade a difficile à faire sortir ses crachats. Et deux fois, quand il arrive à faire sortir les crachats, on va trouver du mucus qui est compact, épais. C'est ça qu'on appelle les crachats perlés de l'aïnec, comme sous forme de tapioca. Comment traiter l'asthme L'asthme, il faut reconnaître que c'est une maladie chronique. Ça veut dire que le patient vit avec sa maladie, il faut un suivi. De façon générale, les gens, quand vous leur demandez Qu'est-ce que vous prenez Ils disent que je prends la ventoline. La ventoline n'est pas le traitement de l'asthme, c'est un médicament d'urgence. C'est quand ça ne va pas qu'il faut l'utiliser en urgence. Dans le traitement, il y a ce qu'on appelle le traitement de fond. Il y a des médicaments que le malade doit prendre tous les jours que Dieu fait. Et en fonction du niveau, on peut diminuer ou augmenter. La ventoline, c'est un médicament d'urgence, donc comme je l'ai dit, c'est quand ça ne va pas avec le traitement de fond qu'il faut l'utiliser. Donc le patient doit l'avoir avec lui, quel que soit là où il est. Mais il faut que les mentalités changent. Les autres traitements, on a ce qu'on appelle des corticoïdes inhalés qu'on donne par voie sous forme d'aérosol qu'on met dans la bouche. Il y a ce qu'on appelle les bronchodilatateurs qui permet à la branche de s'ouvrir. Donc ce sont des médicaments que nous disposons sous forme de pompe selon l'indication on dit au patient d'utiliser. Donc on peut les combiner et en fonction de la gravité, il y a ce qu'on appelle les antilécotriennes les montelukast qu'on peut donner aussi. Généralement, c'est ça qu'on appelle le traitement de fond, mais la ventoline, elle est utilisée pour l'urgence. Peut-on guérir totalement de l'asthme euh, En matière d'asthme, on ne parle pas de guérison, mais on parle de contrôle de l'asthme. On utilise certains critères pour dire est-ce que l'asthme est contrôlé ou pas. Donc, est-ce que le patient fait des crises la journée Est-ce que le patient a des crises la nuit Est-ce qu'il y a une limitation des activités est-ce que la personne est hospitalisée Est-ce que maintenant, au niveau de la spirométrie, il y a ce qu'on appelle le volume d'expiration maximum par seconde qu'on évalue Donc, en fonction de ces critères, on va dire que l'asthme est contrôlé, partiellement contrôlé ou non contrôlé. On peut vivre parfaitement de son asthme. Donc, contrôler et avoir une qualité de vie. Et il faut aussi lever l'équivoque. L'asthme ne contre-indique pas la pratique du sport. Il faut que vraiment les mentalités changent. Beaucoup de parents viennent dire mon enfant asthmatique ne peut pas faire du sport. Le sport est par contre bénéfique pour les jeunes puisque ça va développer les capacités respiratoires. Il y a des prédispositions à faire comme donner la ventoline avant de commencer son sport. Mais chez les sportifs de haut niveau, la ventoline est contre-indiquée puisque ça rentre dans les médicaments dopants. Peut-il y avoir des complications Oui, il peut y avoir des complications puisque la majorité des patients que nous recevons ici, ce sont des formes compliquées. C'est surtout l'asthme aigu grave. Ce sont des patients qui viennent avec des difficultés à respirer, des difficultés à parler. Deux fois, ils ont des troubles de la conscience. Ils ont des difficultés à se coucher. Donc, ça rentre dans le cadre de l'asthme aigu grave. Ils viennent seulement puisqu'ils sont dans une position attentive. Ils attendent seulement que la crise vienne pour venir consulter. Donc, ils font plus des formes compliquées. Ils viennent avec des symptômes un peu plus graves quand la personne n'est pas sous traitement de fond. L'intérêt du traitement de fond, ça permet d'espacer les crises, ça permet de faire euh, moins de crises graves. C'était Dr Suleiman Halidou, pneumologue à l'hôpital Amirou Boubacar Diallo de Niamey. Il apportait des explications sur l'asthme. Il était au micro de Habiba Ahmed. Masala C'est est le son que vous êtes en train de savourer de l'artiste Seine Issa Antaroudi Seine Maiga. Il est chanteur et compositeur. Et eh oui, il a débuté sa carrière musicale dans les années 90 au sein du groupe Wakabana qu'il quitte après pour rejoindre le groupe Anashua Tal National. En 2011, Seini crée sa propre formation musicale dénommée Mourna. Il anime les mariages et les baptêmes de la capitale. Barcelona, Baba Yari, yari.

Chers auditeurs, c'était Dosa de l'artiste Seini Meiga. Maintenant, direction pour l'écho des régions qui nous amène à Tilaberi, plus précisément à Filendier pour parler nourriture. Nous vous proposons la recette d'une bonne boule de mille appelée Hura en Hausa et Donu en Germain. Et oui, Saan Maman nous euh, présente le processus de préparation de la boule, un aliment très nourrissant quand il est accompagné de lait, n'est-ce pas De lait caillé aussi, <laughs> c'est là Une interview de Amadou Asmana, notre correspondant de Filingue. e wallahi a san hura a ga hura a ji hura hilingi duci giribuyun gana kuma hura ita kana da ka. kai ka suru ka wanki ka sassabe ka maida mashin yin nan ka zaka ka sa ka tankaɗe tun da kana iske an nika masara kasa dole hantin nan na masara shi taso in ka tankaɗe ka maida ka zurɗe ka kaɗa ka iza wuta shi hu kai hankurin shi hu da in yadda hu ko ya kwana nawa bai baci kuma ko ka sha bai maka illa amma bai da hu ya da nan in ka sha wani tana iya yiwa ta buga shi da adda zahi kenan ba gumba ba ba dawo dole ta taba ka amma in dawo ya dahu wallahi ko ka shashi har wuya bai ma wani abu kuma ka biɗi nonon ka na shanu ka bi biɗo baka kamshin ka ka ruhalin ka ka daka su in ka daka su ka ɗauko nonon nan tunda duk wanda an ka nono sai ya sai ka zuba kamshin ga cikin nono in ka tashi da wannan ka ɗauko sai ka ɗauko mutan ka ɗinka ka tarare shi ciki ka dama to kamin ka sha ma ka ƙoshi tunda kamshin ga ta tarbonka kana yalla ka sha da wani irin hatsi ya kamata a yi hura duk a san dai hatsi ka san kurhoi dai jan jajayun hatsi yanzu na dai da iri shike daban-daban aka ta mai lanshi amma a san hura a san daka hura dai hacin hilinge kurkwa jan haci sun hi daɗin hura hura tana da ma'ana dan abin ga ka ka ganin saranci a kwaikwayo ruwan zahi a ɗibga ma ciki a ɗauko wanga tiri tafi a sa ma ciki in ka damu hurar ka lahiyayya ka kaɗa ɗan galassin ka ka ɗauki huran nan ka aza cikin ka sai shi kwashi sanyi duk zahin nan da ka ji ni ku gani tun da kaga yanzu in muna magana gani aka mi ka sani amma wanda duk ka tunani in ya sha abin da shi ka lura cikin jikin shi yanzu ba a hakan kawai ta ɗibgan dina aka ka ji ma'anar hura tana da unhwani cikin jiki amma yanzu babu mai iya sa rabin tiya shi ga turmi shi zo za daka shi sha hankali kwanci shi wanke shi rairaye shi ɗebe tsagana babu sai dai akai ta mashin a kwara ruwa da tsaye a wanke a sassaɓe a mai suwa kenan sha daina akai yanzu amma lokacin da aka hura ka sha hura ta bi jikin ka sai kwana sai dai wani ya tashe ka Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers euh, auditeurs, la page sport avec notre chroniqueur du jour, Soumana Amoud. Bonjour Soumana. Bonjour à tous. Dans cette page sport d'aujourd'hui, nous allons à Tirozirine, dans la région d'Agadez, pour parler du judo, n'est-ce pas Oui, en effet, la société nigérienne euh, de charbon, Sonichar, soutient une équipe euh, locale de jeunes judokas appelée AS Sonichar. L'entraîneur de cette équipe, Mustafa Adamou, recrute les enfants âgés de 4 ans et plus pour être la relève de demain dans la discipline sportive là. Il explique euh, leurs conditions de travail au micro de notre correspondant sur place, Ahmed Fenan. kasan shi yaro duk inda yake harka shi sai da hankuri a hankali da lalama da komi ake taya da shi da kanonin shekarunsu kuma duk abin da kake kwatanta musu suna gane shi bisa shi dokin yaro ya samu awa ɗaya da rabi awa biyu ya ishe shi kamar yanzu kaga ni yanzu bayan sallar magrib nake ce musu su zo sal mu fara kamun bayan sallar isha sai in ce musu to kowa ya ta gida da ya ɗauki leso da ko yara masu taya makaranta ba ni iya ce musu su zo karhe hudu kenan dan saboda su ma su tai makaranta kuma su komo a samu lokacin da su ma za su taya su karatun su yanzu a matsayin kana entrepreneur na wanga gidan shido na ciro kamar menene gurin ka zuwa tare da wannan yara kamin in zama entrepreneur na zama combatant kamar su kenan guri na in koya ma mutuna jido wanda zai wuce inda ni na tsaya bara mun yi competition national da wa'ansu wala alhamdulillah mun samu yan medayoyin mu haka nan tunda nan zancen jiha ne ake ba na club bane yanzu wannan yaran kamar kamfanin ne ke doka yaunin su ko kuma uwayen su ne yaran nan kamfani ne tunda ba uwa yaron da zai cewa ina ce mishi kowane wata sai a ba da wani abu amma abu ɗaya ne wannan na san da shi kaman bisa durwa na sake santur ka san shi wannan dole ne sai uwayen yaro sun biya shi ba ta da baban kamfanin yake aiki ki wannan kowa sai ya biya shi kuma kuɗin rubuta yaranka to shi shi ma ina diba karhin mutum ba daga kowa ba nake kama su wanne matsaloli kuke samu matsaloli kala kala akwai su kaga tatami kinmu kaga yadda suke to yanzu in ba mun samu kuvertir bane an musu nan zuwa gaba ma muna iya cewa dole sai mun tsaida paske shi abu ne da ba iya yin shi kasa sai bisa tatami to shi ne matsalar mu ta farko cikin ta ma ko pakin ka guntu ma kai da kanka tana iya karya ka kenan dole sai da dokan matakai wanda za a yi gudun wannan risk kanana wannan kamfani bai iya cewa zai sai ma kowa kimono yayi jiro da su kamar yanzu nan muna barin suna hawa da wani suver ta haka kamun a kai etapkin da muke so ne in sun kai lokacin da muke so bisu shi dokin dole sai da kimono Et voilà, donc euh, c'est tout pour aujourd'hui. Merci euh, Soumana, à, à la prochaine. Merci. À demain. <laughs> Chers auditeurs, dans notre rubrique Portrait d'aujourd'hui, nous braquons les projecteurs sur Asma Tijani, une journaliste qui s'est reconvertie il y a quelques mois dans la décoration. Aujourd'hui, à la tête d'une entreprise de décoration d'intérieur, elle, encourage les autres à surpasser leurs peurs pour réaliser leurs rêves. Portrait signé Rabia Meikano. Après le bac de l'enseignement général, j'ai atterri à l'IFTIC où j'ai fait la formation de journalisme et je m'étais spécialisée en journalisme radio-télé, promotion 2007-2009. Et depuis lors, j'étais dans le monde du journalisme où j'ai eu à servir au niveau de la radio-télévision Ténéré, puis j'ai atterri au niveau de la RTN, la radio-télévision euh, du Niger, où j'ai passé euh, mon bout de chemin. Ça me fait à peu près 12 ans de terrain, d'expérience, de réalité. Euh, j'avoue que le journalisme était un métier vraiment que moi-même j'ai choisi. J'aspirais de devenir journaliste et je l'étais devenue et j'étais fière d'être journaliste. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps Avec le temps, le miracle s'est produit parce que parallèlement, j'avais aussi une grande passion pour, le, pour la décoration. La déco, c'était une question de passion parce que je faisais ça parallèlement. J'ai commencé avec les rideaux que je vendais chez moi. Donc c'est au vu de l'engouement que tout cela suscitait autour de moi que je me suis dit un jour, pourquoi pas ouvrir une boutique Pourquoi pas passer de l'informel au formel Pourquoi ne pas monter ma propre entreprise Et c'est dans ce sens que j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise qui est dénommée Asti Déco. Et voilà, qu'en février 2023, j'ai eu l'honneur et le privilège d'inaugurer ma boutique qui est ici même à, Maradi. Est-ce que vous avez complètement abandonné euh, le journalisme aujourd'hui et comment vous avez vécu cette euh, reconversion Le métier que je connais, c'est le métier de journalisme. Et c'est ça que je connaissais faire. Donc vous voyez, se réveiller du jour au lendemain, dire voilà, je vais arrêter ça, faire ça. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. J'avoue que j'ai pris du temps à, de réfléchir, peser le pour et le contre. J'étais hésitante. Ah, si je quitte le journalisme, quand je veux me lancer ici, est-ce que ça va marcher Mais vous voyez, la passion a primé. Et voilà que, Dieu merci, et quand je pris le risque de me pencher vers euh, l'entrepreneuriat, et voilà que l'entrepreneuriat, grâce à Dieu, est en train de un peu fleurir. Ça me permet, si vous voulez, de surmonter cette vraiment petite impasse. Et je vais ouvrir une petite parenthèse pour te dire que j'enseigne également. Dans un collège d'enseignement technique et professionnel, où j'enseigne une des matières euh, euh, générales. Donc là-bas, c'est pas chargé. Quand je, vais pour mes cours, quand je vais les cours, je suis libre, je vais à ma boutique. Voilà maintenant ma vie d'aujourd'hui, voilà comment je gère. En, se lançant dans l'entrepreneuriat également, c'est pour réaliser, c'est pour atteindre des objectifs. Alors, où est-ce que vous en êtes là vous, Mais par rapport à ce que vous visez, est-ce que vous vous sentez comme un poisson dans l'eau Est-ce que vous voyez bien où, euh, où ça va vous mener tout ça <clears throat> Qui dit entrepreneuriat dit vision et objectif. Voilà ce que je suis aujourd'hui, voilà ce que je veux devenir dans 5 ans, 10 ans. Voilà. Donc je peux dire de l'ouverture de ma boutique à aujourd'hui, quand vous comptez février à aujourd'hui, ça fait une dizaine de mois. Vraiment, euh, je peux que dire Alhamdulillah. Le résultat, vraiment, il est satisfaisant. Et vraiment, on souhaite que Dieu nous ouvre encore des portes pour un lendemain meilleur. Ça va. Mes objectifs, moi, aujourd'hui, là où je suis, je loue dans une boutique. Donc, mes objectifs aujourd'hui, c'est de voir ma boutique s'agrandir, étoffer. Il y a des produits que j'aimerais apporter dans la chaîne. Je, voudrais vraiment étoffer toute la chaîne de valeur pour ce qui concerne la, la déco. Donc, vous voyez, les défis, ils sont énormes. Nous savons bien qu'il y a des gens qui hésitent, qui aimeraient se lancer, prendre ce risque, euh, peut-être parce qu'ils sont pas bien, ils sont pas à l'aise euh, dans ce qu'ils font mm. et ils veulent vraiment euh, changer, peut-être aller avec la passion aussi. Est-ce que vous avez quelques mots pour ces personnes Vous avez dit tout de suite un mot qui m'a indiqué risque. Qui dit entrepreneuriat dit risque et on a coutume de dire qui ne risque rien n'a rien vraiment. En entrepreneuriat, quand vous n'arrivez pas à dépasser cette peur, qui vous envahit ou à vos débuts, vous ne pouvez pas vous affirmer. Donc il faut surmonter cette peur. Il faut se dire que vraiment, je vais essayer, ça va marcher, j'aime ça et ça va marcher. Quand vous aimez ce que vous faites, vous avez tout le temps envie de persévérer et aller de l'avant. Chers auditeurs, dernier tour en musique avec le groupe de rap Bakzam qui nous chante Kiasé. Kiasé, Kiasé. Chiasse, Chiasse, Chiasse, Chiasse, Chiasse, Chiasse, Chiasse, Chiasse, hey yeah, Chiasse, hey yeah, Chiasse, hey yeah, Chiasse, Chiasse, Chiasse, façon comme ça, Chiasse, façon ici, Chiasse, façon de ça, Chiasse, Chiasse, Chiasse, hey yeah, Chiasse, hey yeah, Chiasse, hey yeah, Chiasse, Chiasse, Chiasse, façon Pas dans les chassez Pas dans le sang, chassez, chassez, chassez Même tout ce

mama nu eh, yeah! sauto forlandi eh, yeah! no ga eh, yeah! nigidi atandi kazin da kuka comme ça Bien dominé, oh, originalité, pas besoin. Viens te dire que je suis unifié, je t'ai compris, petit osé. B-H-Z-A-M, one love, one destiné. Modèle, c'est le Seigneur c'est sérum Les états je sur la fête, sérum Donne-moi tout ce que tu as, sérum Je son bel antidote sérum Sérum la l'un qui fout des vertiges Quoi qu'il arrive, n'arrête pas de bouger Promets-moi ton corps délicieux Ça mange vers le septième ciel Le coup de cette coupe de audacieux Put your hands up, laissez danser J'aime ta fire, laissez danser Balance que ta gare, laissez danser Chers auditeurs, c'était assez Maintenant, place à notre euh, loti du jour. Au Niger, la mutilation génitale féminine est pratiquée dans plusieurs régions du pays. Bien que des personnes associent cette pratique à la religion, aucune religion ne recommande cela elle est basée sur d'anciennes traditions. Et oui, euh, elle, engendre des conséquences physiques et psychologiques sur la victime. Plus de détails dans la chronique Loti présentée par Samira Rouafi et Rakia Arimi. wannan shine abin da ya kamata ki ma iya ki dan ki kiyaye ta wallahi ki yarda da ni kike faɗa wa kowa maganan nan ki ɗauko ta ki ɗauko mota ki zo ki iske ni nan niya salamu alaikum kokokok rabiya haba rabiya an yi minti talatin da kika bar ni waje kina ta waya to ina da tsammanin ban zo ba da in takura miki fa hmm. ki gawarce ni uwa wallahi tunani ne nake tun ɗazu bayan kira da na samu na wata kakata. Lalle ke ya kamata a ce cikin murna kike mana tunda kin samu labarinta kuma yadda na gani ga kiran ya daɗe <laughs> na san da dai akwai wasu abubuwa da za a gaya mana. Murna Ami, wai so take in kawo iyata a Nusha ƙauye don saboda a yi mata kaciyar mata. Asha, A cewarta wai abu ne mai mahimmanci da zai kare ta ya kiyaye ta dangane da al'amuran duniya. Ban gane ba, ga wani irin zancen banza ne, ke da kenan kina mini magana an yi miki shine. Ko kaɗan, a ina, mu a lokacin babanmu bai bar su ya kai mana wannan abun ba. To ke ba a miki ba, amma kina son ki mai iya ke kaciya. Anya kina nan ga la'akari da abun da zai iya biyowa baya? Na ji dai wasu suna cewa wai abu ne wanda bai da kyau, amma ni ina ganin wannan zai sa ‘yata ta zamna kurum. Kuma kamar yadda ake cewa za ta zama ‘ya mace mai kyau kuma mijinta zai ji daɗinta sosai a ɓangaren rayuwarta ta aure. Rabia abin da kike gayi baya da ma'ana, amma ina ganin da kamar har yanzu baki gane matsaloli da al'ajabin da wanga kyaciya da ake mata ya kumsa ba. To Hasiya, kakata ta ce wai. Ta ce mi, kakaki ta ce mi, buɗe kunnuwanki ki saurare ni uwa. Sanda za a yi mata wannan kaciya, jini zai iya bulle mata. Kin ga in jini ya bulle mata hakan gafa, mutuwa za ta iya yi. Kuma tana iya yiwuwa ciwon ya sa ta rasa rayuwarta kuma kake manta da cewa tana iya ɗaukar wannan tasacin kanta ya zama abun da zai sa sai ta mutu ba za ta ji daɗin rayuwarta ba kuma ga cututtuka da za ta yi ɗoka saboda an cire wani abu daga jikinta da ke kare ta kuma in ta yi aure duk lokacin da mijinta zai kusance ta za ta ji ciwo kuma har abada ba za ta ji menene daɗin kusantar mijinta ba haka kin ga yayi kin mata adalci Hasiya. Gaskiya ni hokin hara bani tsoro. Duka wannan abun zai samu iyata? Ai ban kare ba, kuma abun da ya fi tsananin ma shine duk lokacin da ta ɗauki ciki ba za ta iya aihuwa da kanta ba. Kuma inda likitan da ke kula da ita ba bai kware ba, wannan yana iya zama sanadiyar da za ta zama mace mai yoyon hitsari. kuma za ta yi ɗauka wasu cututtukan ma'aifa ta rasa jini a ƙarshe ma ke sai ta rasa rayuwarta ko ta jaririnta ko ɗayan biyun nan dai duk wanda an kai dai ya kamata ki gane da waga kaciya da ake ma mata ba abu ne mai alheri ba kenan ya kamata a daina ta subhanallahi ya salam kisan da ban san ba abun ga yana da hatsari sosai kamar haka ba wajen kiyaye iyata ashe dai zan jefa ta cikin kabari iyata dai ba a mutu kaciyar mata ba in Allah ya yarda in dai son samu ne ko ko wata iyar ma bai kamata ba a yi mata wannan aikin hasiya na gode sosai da kika waye mini kaina game da wannan al'amarin ba komai rabi yin ana tare ya kamata a taimaka ma juna amma ke ma ya kamata a ce ki kawo gudunmuwarki ya kamata ki kira kakaki ki kwatanta mata ita ma daga nata bangaren sai ta wayar da kan dukkan garin su gaba abu ne da ya kamata ki kokari a kansa hmm, wacce kakar tawa wannan jarababbal hmm. yaya zan yi in ka mata mazancan to kakar ki ce fa ai ya kamata a ce ki wasa da ita tsaka ba safa shika da kaka aka ce a'a ya kamata ki daure ki mata magana ke dai barni nan inda kika gani dans la rubrique culture linguistique, nous parlerons de monnaie avec euh, Asumana China. Bonjour China. Bonjour Salamatou, bonjour euh, Seno. Bonjour. Oui, aujourd'hui donc euh, nous allons parler de la monnaie. La monnaie donc est un moyen d'échange, à savoir un moyen de paiement ayant une valeur fiable aux yeux de tous. La monnaie est également une unité de compte permettant d'établir le prix des biens et des services on distingue différentes formes de monnaie. La monnaie métallique, là, on parle des pièces, donc comme les pièces de 50 francs, 25 francs, etc. Mhm. La monnaie papier, ça, c'est les billets, comme les billets de 500 francs, 1000 francs, 10 000 francs, etc. Il y a aussi les écritures comptables, par exemple les chèques, les virements et les cartes bancaires. Mhm. il faut noter que dans le passé profond, des coquillages comme des courriers ça c'est dans les temps immémoriaux, ont servi donc des moyens de paiement et leur possession constituait un signe tangible de prospérité et de puissance. On peut noter aussi que donc huit monnaies différentes sont en circulation dans l'Afrique de l'Ouest. Par exemple, dans la zone de l'Imoa, euh, composée du Bénin, le Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, le Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo. Donc, ils utilisent le le franc CFA, c'est une, monnaie qui a une parité avec euh, l'euro. Un euro est égal à 655,95 francs CFA. Pour vous parler de ça un peu à donc euh, monnaie ana e a de ake amfani da su de ko sayan da ya ya tabbatar da ita na waɗannan kuɗaɗe ake ƙayyade darajar wani abu da ake son a saya ko kuma wani aiki da za a yi akwai nau'i dai na kuɗi daban-daban misali akwai na ƙarhe wato kamar dala biyu dala biyar dala ashirin da sauransu akwai kuma ana su kamar zato akwai kuma kuɗin takardu kamar ana samun takarda kuɗi ta jika biyar ta jika goma ko dala ɗari haka sannan akwai na rubuce kamar a eh, baka shek ka je banki ka ɗauko kuɗi ko kuma a sama kuɗin cikin katin ka na banki da zaka je ka dauko mm. amma mutuna muku da cewa a can zamanin da an yi amfani da ɗiyan wuri wanda ake cewa kori da faransanci da da su aka yi zaman cinikayya tun da babu kuɗi na zamani na yanzu kuma wato a can da waɗanda ke da waɗannan korikin ko kuma ɗiyan wuri ana ɗauka su tamkar masu ƙarfin arziki kwarai da kuma wadata kun mm. shi a takaice irin yadda zan kwatanta muku mone da hausa kenan des merci. <laughs> Merci euh, Asumana China. Euh, chers auditeurs, n'hésitez pas hein, à nous laisser un message au 82 89 89 64. J'ai dit bien 82 89 89 64. Si vous avez des mots ou expressions que vous aimeriez comprendre en anglais, en Hausa, Zarma, Tamashek ou Fulfulde, votre participation est la bienvenue. Et justement, il est temps pour nous d'écouter les messages envoyés par par nos auditeurs. aigati sumaila saino aigo wallahi kalangu labarai kan igoga no borai sai igogo labari tabbatanta no kan agogan labo da labi zai kunna fa a gakiya sajo da gallera da ma sajo raboren ngona kan isin da portable kan ga connecte ga fa imidu rezo socio imidu labari don ku kalangu da fata hunkunar sai departamara nan kan aga koi aga bagumo donc da muna ninga portable henen di kene na sai a du labari hankan kani labora da hankan biyaga to labora kul aga wa o wajen kul na fano kan ce. kuma da laran diyan ga labarai kai kalan gugo no gano ifo no gati hai kai yaran diyan ga ran gaba yi mutonton labarai dumba kai yan ihim gate kai yayi gate wallahi irwo wankan yar gaba yi mutonton gati ima gaban da sai susu bai kul da tontono education aiki ram tu buzi ya haya club de kut sai a wani presidentu duat kul kan no studio la kalangu langa kirga ma sanne kan ruwani da a lokaci to irga hangani si to iwan labare ki gogono an kan sai irwo labare irgo du aga fahama Wat wata kan ci ne igunu labari labari tabbatan ta ni gano kwai ne ganda kan ra'i furu ka dai dici nongo kan haya gogote iman boreno fondo kan ganan bor mo koi din bon se din tun din mani yarda din koi ni ko koy di kan hayadin attede no insha wo din se no wallahi wanda labare a kanirsi zama kini no sanu wa ne ga ya ni ga sani kurki bar mai afallon ka ni no isi da kaga isi ga zaga to mo si jere kin ga ba a talata hana si jere ki gite wai bore bon fera din bon zam ir wai bore ir no goga bafune da zankai ya dinga da zan fondatan nyangono da bori babu no ya dinga imirga no bon fere hannu irmu ki ir zankai no bon fere zan bon fere tera yara bun boda zankai man ki ga hangan no me ikan ki nyanga irno ga hangan irmu zankai no tarbiya kan ganan imite irse subu zanka alberi hannaya. dole ne fa ka ci gaba kera wata kanka dan ba mu mun kera sai ka kai kaka mu mun je mun dawo da shi muke taka ta kai idan ka daddamu da mu su kofa sun sani ga sun hana jirgi sabba idan ka yayyarda da mu sai ka ɗauko icce dan ka tashi mu shirya dan ka tashi mu tsara dan ka tashi mu raba ka gargajiyan mu da to ga wata na ta kukan yunwa kuma ga wani na ta kukan bashi Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Nous avons adoré passer ce moment en votre compagnie. Le rendez-vous est pris pour demain avec un autre duo. Au micro, c'était Ali Munkela Ouseni alias Seno 50% et moi-même Salamatou Kadri. Et oui, à la technique, euh, c'était tout simplement Abdul Kader Chambiano et Rahilatu Soumana accompagnés de la grande dame Adama Dawaki à l'édition. Ciao, ciao. Bye bye. Thank